le forum du studio le forum du studio forum du forum forum forum forum forum forum forum Fidèles auditeurs, euh, bonsoir et bienvenue au programme du studio Kalangu qui sont euh, relayés par 45 radios partenaires et à partir euh, du 1er octobre par 5 télévisions partenaires. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangu s'intéresse à la thématique Femmes et élections, comment donner l'égalité des chances aux femmes aux différentes échéances électorales au Niger. Au Niger, les femmes occupent plus de la moitié de la population, estimée à plus de 22 442 948 habitants, selon les projections de l'INS, l'Institut national de la statistique en 2018. Malgré leur poids démographique, les femmes sont sous-représentées ou pas du tout représentées dans les instances décisionnelles du pays. Plusieurs facteurs expliquent cet état de fait. Il s'agit notamment des stéréotypes sexistes la tradition qui estime que la place de la femme est au foyer. Pour ne citer que cela, nonobstant ces facteurs qui empêchent l'émergence des femmes nigériennes au plan politique, ces dernières restent des actrices incontournables dans la mobilisation des électeurs lors des scrutins et même des activités des partis politiques. C'est dans l'optique de comprendre l'importance de la participation politique des femmes pendant les différentes échéances électorales, les obstacles qui empêchent l'émergence de la femme nigérienne au plan politique que le studio Kalangu a initié ce forum. Pour débattre de la question, nous avons invité dans ce studio Hawa Sadou, ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, division promotion de la femme et participation politique des femmes. Bonsoir Hawa Asadou Bonsoir, comment allez-vous Madame Souley Mariam Gambo, Madame Asdoubara. Bonsoir. <laughs> Adam Ide, chargé de communication du MNSD et Nassera. Bonsoir Adam Ide. Bonsoir madame. Pour euh, conduire euh, le débat, je suis Fatih Zakari. Merci d'avoir euh, accepté l'invitation du studio Kalango. Avant d'entrer dans le vif euh, du sujet, je propose d'écouter l'entretien que nous a accordé Madame Bari Bibatanyandou, ancienne ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, sur l'évolution de la participation de la femme nigérienne à la vie politique. Vous savez, la participation, c'est un long processus. Si on prend de notre départ, je dis qu'il y a une nette amélioration. Mais nette amélioration ne veut pas dire satisfaction totale. Madame Barry, est-ce à dire que l'adoption de la loi sur le quota en 2000 a permis de rehausser les candidatures féminines aux élections passées? Bon, évidemment, dès l'instant où on passe d'un chiffre à un autre, c'est normal que nous puissions augmenter le nombre de femmes. Mais là où se trouve le problème, c'est que on parle du quota minimum. J'ai remarqué que partout au sein des partis politiques, dès qu'il y a une femme, pour eux, c'est fini. Alors qu'on a dit le minimum, voilà, de l'un ou l'autre c'est Vraiment, mon souhait, c'est qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, que les juges soient vigilants par rapport à ça. C'est-à-dire, sur une liste, dès qu'on voit une femme, on va dire que le quota est respecté. À cette veille des élections électorales, la loi sur le quota a connu une révision. Est-ce que cela peut permettre de changer la tendance? Mais bien sûr, ça va permettre de changer la tendance. Avant, si c'était 15% et qu'on est arrivé maintenant à 25%, donc euh, il va y avoir quand même une augmentation. Mais c'est eu égard au poids démographique des femmes. Les femmes constituent plus de 52% de la population au Niger. Donc, c'est normal qu'elles soient représentées à la hauteur de leur nombre. Elles doivent être sur l'échiquier politique représentées massivement plus que les autres parce qu'elles sont plus nombreuses que les hommes. Vous venez là donc euh, de suivre l'ancienne ministre euh, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, Madame euh, Baribi Bata Niandou, sur l'évolution de la participation de la femme nigérienne à la vie politique. Vos réactions, je commence par vous, Madame Souley Mariama Agambo, Matamas Dubara. Ce qu'elle a dit n'est que pratiquement une réalité il y a un changement, il y a une évolution. Cela ne pas, veut pas dire qu'il y a une satisfaction. Un changement, une évolution, mais d'une petite envergure. C'est comme si on dit que eh, on marche en avançant. Nous ne reculons pas, nous, avançons, nous avançons. Mais en avançant, on ne fait pas de grands pas. Si c'est à petits pas qu'on marche, je pense qu'on ne va pas vite arriver là où on veut arriver là. C'est ça donc le problème de la promotion de la femme en Nemo mhm. et au Niger. Mais les gens commencent quand même à comprendre, Dieu merci, qu'on ne peut faire qu'avec les deux mains. Une seule main ne peut pas être utilisée pour donner satisfaction. C'est ça. Et je pense que Mme Barry a pratiquement dit toutes les vérités qu'il faut dire en introduction. Elle l'a dit. Elle a parlé pratiquement de la loi sur le quota. Cette loi sur le quota qui a été rehaussée avant-hier en 2020 là, et qui est arrivée à 25%. Moi, je pense que c'est une évolution. C'est une évolution. 25%, de l'un ou de l'autre sexe, mais <laughs> même si ça se pratique sur la femme seulement, c'est une évolution. Maintenant, soyons vigilantes pour que ces 25%-là soient réellement les 25% qu'il faut donner aux femmes. Monsieur Adamou est chargé de communication du parti MNSD Nasra, vous êtes en ligne. Quelle est donc votre réaction par rapport à l'intervention de Mme Bari oui, ma réaction par rapport au constat de Madame, c'est que c'est une évidence. Tout ce qu'elle vient d'avancer, c'est évident dans la lutte pour euh, l'émancipation de la femme en politique. Mais situons les choses actuellement dans leur contexte. Peut-être de là, nous allons faire beaucoup de constats. Premièrement, cette année, on a constaté un flux et un reflux de femmes autour, n'est-ce pas, des équipes d'enrôlement. Ça veut dire quoi Que les femmes se sont suffisamment mobilisés dans le cadre de l'enrôlement biométrique. C'est le constat qu'on a dégagé. Deuxièmement, lorsque euh, les affiches ont commencé, nous autres membres des commissions administratives, nous avons pu constater que dans les affiches, sur euh, trois personnes, les deux sont des femmes. En tout cas, dans certains milieux, surtout les milieux où nous sommes. Ça veut dire que les deux tiers recensés, quelque part, sont des femmes. Alors là, il y a match. Il y a match pourquoi Parce que cette année, les femmes occupent une place prépondérante dans le vote électoral biométrique. Ça, c'est indiscutable, c'est réel. C'est un constat qui est dégagé par presque tous les partis politiques et les autres observateurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les femmes doivent davantage se mobiliser. Quelque part, j'ai entendu parler de stéréotypes. Non, les femmes ne sont pas stéréotypées, non. Les femmes sont considérées au même pied d'égalité que les hommes. Et même le quota qu'on dit, il faut faire le constat, c'est l'un ou l'autre sexe. Ça ne veut pas dire uniquement les femmes. Il faut comprendre le langage. Ce qui veut dire que les femmes doivent constamment se mobiliser cette fois-ci pour occuper davantage l'arène et la scène politique nationale. C'est vraiment très important. Nous encourageons les femmes à le faire parce qu'elles ont une place de choix. Donc, le constat de Madame est réel et actuellement, vraiment, les femmes ravissent la, vedette, en tout cas en ce qui concerne l'électorat nigérien. C'est clair. Madame Hawa. Madame Hawa Sadou, euh, division promotion de la femme et participation politique des femmes au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Est-ce que vous avez quelque chose donc à ajouter par rapport à la, ce que vient de dire Madame Bari Bibata Bon, ce que vient de dire euh, mon, mon ancienne ministre, Madame Bari Bibata Nyandou, elle a parfaitement dit la vérité elle a occupé le fauteuil ministériel du ministère de la promotion de la femme, protection de l'enfant. C'est qu'elle a dit vraiment, elle a dit la réalité. Comme vous avez eu à dire dans votre introduction, et la projection de l'UNS, la population nigérienne est de plus de 22 000 habitants, 22 millions d'habitants. Mhm. Et de les 22 millions d'habitants, on a plus de 50% femmes on a à peu près 52% de la population est, est, composée de femmes. Et vraiment, l'effectif de règlement, on a les femmes sont majoritaires. Les femmes sont majoritaires, donc il y a vraiment une avancée significative. Et cette avancée est due aux efforts du ministère de l'équipe même du ministère en charge de la promotion de la femme qui ont lutté pour que la loi sur le quota soit rehaussée à 25% pour les postes électifs et 30% pour les postes de nomination. Donc euh, vraiment, les femmes sont vraiment incontournables, sont des actrices incontournables. Mhm dans la mobilisation des électeurs et même dans les activités des partis politiques. Dans la première partie de ce forum, nous allons donc aborder les stratégies utilisées par les différents acteurs en charge des questions de la femme pour promouvoir la participation des femmes aux échéances électorales au Niger. Madame Sadou Hawa Sadou, Direction promotion du leadership féminin, division participation politique des femmes au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Quelles sont les stratégies utilisées par le ministère pour permettre aux femmes d'avoir les mêmes chances de participer aux différentes élections donc au Niger Les stratégies utilisées par le ministère, c'est d'abord le rehaussement de la loi sur le quota et la, prise en compte de ces lois-là dans, dans la Constitution. Mm-hmm. Donc le ministère vraiment a lutté pour que la, pour que de la, que la Constitution prenne en compte euh, le rehaussement de la loi. C'est déjà un acquis. Mm-hmm. Et encore, le ministère a mis en place des équipes de sensibilisation dans les huit régions de Niamey pour, comprendre aux femmes le rehaussement de la loi sur le quota, de euh, l'importance de, la participation politique des femmes aux instances de prise de décision. Pour que maintenant les femmes ne soient plus un bétail électoral, mais qu'elles soient candidates mhm. aux élections. Oui, mais est-ce que ces stratégies ont permis d'atteindre les objectifs euh, que s'est fixé le ministère en charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant Si oui, pourquoi Les stratégies vraiment ont porté à atteindre l'objectif du ministère mhm. parce qu'on a remarqué que de l'effectif d'enrôlement, les femmes sont majoritaires. Mhm. Donc cette fois-ci, vraiment, au aux élections prochaines de décembre 2020, vraiment tous les partis politiques mhm. qui ne composent pas avec les femmes vont à l'échec. Adam vous êtes euh, au téléphone, vous êtes aussi euh, le chargé de communication du parti politique MNSD Nassara. Comment les partis politiques abordent-ils la question de la participation politique des femmes de manière générale et en particulier au sein de votre parti Avec joie, nous accueillons la participation des femmes. De toute façon, de tout temps, au MNCD Nassara, les femmes ont occupé les grandes places au niveau des structures. Si vous prenez, par exemple, les statuts, de règlement intérieur, il était prévu une place pour les femmes, une place pour les jeunes, une place pour les Amazones, ça veut dire que nous fondons beaucoup d'espoir sur la féminine. De tout temps, le MNSD n'a jamais et jamais marginalisé la femme et la jeunesse. C'est pourquoi, madame, je vous donne un exemple illustratif. Au niveau de l'Assemblée nationale, qui est une instance décisionnelle, une instance importante, vous avez le MNSD à 20 députés. Et sur ces 20 députés, nous avons six femmes. Posez l'équation. Vous allez voir que le MNSD est en adéquation avec les textes nationaux. Donc, ça dit que dans le principe, le MNSD n'a jamais dérogé à la loi, à la règle générale, à la loi fondamentale en ce qui concerne les femmes et les enfants. Vous savez, les femmes ont lutté. Et en première loge, moi, j'ai pu constater l'association des femmes Matamassou Dibara. C'est elle qui a mené trop la danse sur le terrain. Il faut être reconnaissant. C'est vrai, c'est une vieille association parce que je l'ai connue depuis 2004 à Saïd. Que c'est une association qui a poussé des plumes et des dents. Donc, qui est là en train de se battre vraiment acharnement d'ailleurs pour les femmes. C'est pourquoi il faut faire chapeau à cette association. Parce que cette année, elle est là pour sensibiliser les femmes rurales afin qu'elles prennent goût à la chose politique. Et elle a aidé les femmes à faire même des dossiers. Vous voyez, c'est pourquoi on dit rien pour nous sans nous, rien pour les femmes sans les femmes. C'est elles qui connaissent leur, leur, mal ou leur bon, si vous voulez. Donc, il appartient aux femmes de ne plus dormir. Elles doivent se réveiller, elles doivent s'émanciper. On s'émancipe en luttant on ne s'émancipe pas en s'écartant ou en Donc nous encourageons les femmes. Vraiment, elles occupent, je l'ai dit, une place prépondérante dans la politique nationale. Adamou Oudé, oui. est-ce que vous disposez des méthodes propres à votre parti pour encourager les femmes à participer aux différentes oui, notre méthode, c'est ça que j'allais vous dévoiler tout à l'heure. La loi a prévu 25%, n'est-ce pas Vous le savez. Mais nous, au MNC, il y a eu des directives pour nous dire, au lieu de 25%, aller à 30%. Et d'ailleurs, à l'Assemblée, c'est ce que nous avons observé, les 30%. Bien avant, nous avons cette culture. Cette année, dans le choix, il y a eu des directives du bureau politique qui ont indiqué qu'il faut prendre 30% au lieu de 25%. En tout cas, nos listes sont là, vous pouvez aller vérifier. Nous sommes allés au-delà de 25%. Donc, nous avons une culture pour majorer le quota, que ce soit l'un ou l'autre sexe, puisque c'est ce que la loi dit, madame. Donc, euh, votre méthode donc, a permis une participation massive euh, des femmes aux échéances électorales passées. Je vous ai donné l'exemple de l'Assemblée nationale. Je vous ai donné un exemple législatif au niveau de l'Assemblée nationale. Cette année, je vous dis, au niveau des communes, nous avons rehaussé le, nous avons dépassé les 25% dans certains cas. Mais, mais malheureusement, il y a toujours des mains ce n'est pas facile de mobiliser le monde rural, les femmes rurales. C'est ça le problème que nous constatons sur le terrain. C'est ça notre difficulté. Nous avons cette difficulté-là d'avoir, de, convaincre les femmes rurales à venir être candidates aux élections locales. C'est ça la difficulté. Vraiment, c'est une difficulté du terrain qu'il ne faut pas marginaliser, qu'il ne faut pas omettre. C'est vrai, c'est réel. Mais quand même, avec euh, notre détermination, nous sommes arrivés à les convaincre, à les sensibiliser. Et grâce à l'appui, je le répète encore une fois, de Matama Bara. C'est une association qu'il faut encourager, qu'il faut accompagner tous azimuts, franchement, parce qu'elle s'engage aux côtés de la femme pour son émancipation. Madame Maria euh, euh, Mariam Gambo, vous faites partie des femmes euh, Mata Masdoubara formées et accompagnées par CARE Niger International pour accéder aux instances euh, de prise de décision, ce qui, vous a, donc vous a permis d'être élue ou conseillère. Expliquez-nous la méthode d'approche utilisée par votre structure pour atteindre cet idéal. Merci, M. Adamon Été, parce qu'il est très bon de reconnaître l'effort fourni par les uns et les autres. Et ça, ça encourage que de ne pas reconnaître. Mhm. Donc, euh, notre stratégie a été toujours d'abord la sensibilisation des femmes pour qu'elles prennent conscience qu'elles sont capables d'abord. Elles sont capables, elles peuvent. Puis la sensibilisation des femmes pour qu'elles se soutiennent entre elles. Ensuite, la sensibilisation des femmes pour qu'elles se créent l'occasion. En matière de sensibilisation, ce sont les trois bords là qu'on touche. En matière de synergie d'action, nous poussons les femmes à se soutenir, quel que soit le bord politique. Et je pense que maintenant, ça commence à apporter son fruit. Déjà en 2004, nous avons une candidate que Mata Massoud Bara, les femmes des groupements de la commune, ont proposé comme candidate et qui est passer vraiment tête haute. Au début, elle n'avait même pas de parti. Hein. C'est ces mêmes femmes-là qui l'ont poussé à adhérer à un parti, dont le parti de Adam Idé. Cette femme a passé avec plus mhm. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés au point où, partout où les femmes Mata Barasson, sont, elles doivent d'abord se dire qu'une femme, c'est moi. Que ce n'est pas l'autre la femme, mais c'est moi. Donc, à travers l'autre, elle se voit elle-même. Et elles se mettent la main dans la main pour donner à la femme qui est capable ce qu'elle doit avoir politiquement. Et vous allez voir, hein, et en 2011, mhm. nous avons eu en tout cas 144 femmes, femmes Mata mhm. élues. Et pratiquement sur les 8 mères qu'il a eu au Niger en 2008, mères femmes. Femmes, oui. Voilà. Donc sur les 8, il y a eu 7 qui sont femmes MMT. Mhm. Parmi les mères, il y a eu 8 femmes, dont 2,88% des mères, alors qu'on voulait avoir en son temps, hein, l'objectif qu'on s'est donné, c'était mhm. d'avoir 25% des mères femmes au Niger. Et on a projeté en 2020 d'avoir 50% des mères. Ça va venir. Oui. Donc, vous voyez, les femmes Mata Massoud Bara, et nous avons juré de ne plus avoir de communes sans femmes, où le conseil n'a pas de femmes. Parce que nous avons étendu la création des groupements Mata Massoud Bara dans toutes les contrées du Niger. Avant donc euh, d'aborder la deuxième partie de ce forum, je propose de suivre une fois de plus un extrait de notre entretien avec euh, Madame Barry Bibatendou sur les obstacles à une participation massive des femmes aux échéances électorales au Niger les obstacles, vous savez, euh, d'abord, la femme, c'est une femme. Elle n'a pas que le politique à faire. Elle doit d'abord s'occuper de la maison. Est-ce qu'elle a le temps après d'aller faire la politique Est-ce qu'elle a le temps d'aller mobiliser les autres Vous parlez de la surcharge du travail domestique. Exactement. La deuxième chose, malheureusement pour nous, on a introduit l'argent dans les élections. La femme a-t-elle la capacité financière nécessaire pour battre campagne ou bien pour acheter les consciences Or, nous, notre vision, vraiment, c'est d'être élu parce que tout simplement, on croit en ce qu'on peut faire, on croit en ce qu'on peut défendre les droits des populations, mais pas parce que j'ai beaucoup d'argent que j'ai distribué et c'est pour cela qu'on va me lire. Maintenant, la troisième des choses, c'est que la femme doit s'armer de courage parce que on fait tout pour la décourager. Et traditionnellement, on dit qu'une femme ne doit pas parler en public. Or, faire de la politique, se faire élire, c'est parler en public, c'est battre campagne, c'est sortir, c'est rencontrer les gens. Il faudra qu'elle ait la compréhension nécessaire de son milieu pour que vraiment eh, elle puisse arriver à ce qu'elle a choisi de faire. Vous venez là donc de suivre Madame Bari Abibatanyandou sur les obstacles à une participation massive des femmes aux échéances électorales au Niger. Euh, Madame Hawa Sadou, quelle est donc votre réaction par rapport à ce que vient de dire Mme Barry Bibata Bon, par rapport à ce que Mme Barry vient de dire, les obstacles, elle a relaté les surcharges domestiques. Par rapport aux surcharges domestiques, le ministère de la Promotion en charge de la femme a vraiment mis un accent particulier sur l'autonomisation économique des femmes. Dans l'autonomisation économique, il y a vraiment la dotation des moulins à grains. Le ministère a mis en place des moulins à, grains et, la, plateforme multifonctionnelle pour les femmes. Et ces plateformes multifonctionnelles permettent vraiment d'alléger les tâches domestiques parce que de la plateforme, il y a les moulins à grains, les décortiqueuses, donc vraiment les femmes, on peut dire que on a mis vraiment un accent particulier a été mis dans la de l'allègement des tâches mhm. domestiques à travers la mise à la dotation des, villages mhm. à moulins à Monsieur Adamou Idé, chargé de communication du MNSD Nasra, vous êtes en ligne. Quelle est votre réaction Je pense que, eh, Madame Fatih, je pense que la première inquiétude de, de Madame, ne peut pas être de mise en 2020. Nous l'avons constaté parce qu'aujourd'hui, il y a l'éveil de conscience de la femme nigérienne en matière politique. Il faut être en campagne, en basse campagne, en campagne pour constater cela. Donc, les femmes sont éveillées. c'est pourquoi vous avez vu la grande mobilisation que les femmes ont eu à faire lors de l'enrôlement biométrique. Cela prouve à suffisance que les femmes ont pris la chose politique à bras le corps. C'est les élections, le vote c'est un jour. Moi je crois que la femme doit consacrer ce jour-là pour pouvoir participer au développement du Niger. Parce qu'en votant, l'homme que vous voulez ou la femme que vous voulez, vous participez, peut-être sans le savoir, au développement du Niger. Maintenant, la deuxième inquiétude, elle est là, elle est fondée, c'est-à-dire en ce qui concerne euh, la pauvreté de la femme euh, euh, rurale. C'est vrai, la femme est pauvre, c'est pas la femme seulement. Aujourd'hui, même l'homme est pauvre au Niger, il faut le constater. Moi, je pense à ce niveau, il faut combattre la corruption dans ce pays. Il y a des structures qui sont là, la est là pour veiller à cela. Donc, franchement, ce n'est pas avec l'argent qu'il faut acheter les consciences. Ce n'est pas bon. Parce que si on le fait, on ne participe pas au développement du pays. On participe à la défaillance du parti. On participe à péricliter l'économie du, pays. Vraiment, vraiment, il faut que les femmes fassent beaucoup de sensibilisation. Il faut que les organisations fassent beaucoup de sensibilisation pour que qu'il y ait corruption zéro dans les élections de 2020-2021. Il le faut, s'il vous plaît. Moi, j'ai participé à des réunions où la a pris l'engagement de se manifester pour arrêter l'hémorragie, pour que ça ne saigne plus en matière économique, ça ne saigne plus l'économie du pays. On attend de voir. Ça, vraiment, Madame a raison de soulever cette inquiétude. Et aujourd'hui, tout le monde a raison de soulever cette, cette inquiétude. Parce qu'aujourd'hui, le but d'un parti politique, c'est d'acquérir le pouvoir. Mais malheureusement, ce n'est que des partis satellites que nous voyons de plus en plus poussés pour soutenir tel ou tel candidat. Non, vous avez, fait votre parti, n'est-ce pas, pour euh, demander le suffrage des, des femmes et des hommes. Donc, euh, vraiment, c'est ça, c'est ma réaction par rapport à ce que Mme Barry a dit dans son deuxième euh, passage. Voilà, Mme Souley Mariam Agambo. Vous êtes donc euh, femme Mata Amas Comment est-ce que vous percevez la question de la participation donc, euh, des femmes euh, pendant les élections au Niger Vous savez, il y a un adage qui le dit dans mhm. notre langage. Donc, nous, nous avons pris ça là en considération. C'est-à-dire que attendre le jour J pour sortir dire que et eh, moi je vais être candidate, moi, je veux être élue. Ce n'est pas une femme Mata Massoudoubara. Les femmes Mata Massoudoubara sont en campagne du premier jour, le dernier jour des élections, des dernières élections, qui est le premier jour des campagnes des femmes Mata Massoudoubara. jusqu'au jour où elles vont être élues ou réélues. Dans ce cas-là, je pense que celui à qui tu vas demander de te lire ne te réclame rien. Parce que tout ce que tu fais, tu le fais ensemble avec lui. Un parti politique ou un membre d'un parti politique qui se présente à une femme Mata Masudbara ou un groupement Mata Masudbara avec quelque chose en main, elles vont prendre. Mais attendez-vous, au contraire de ce qu'elles vous ont dit oui. Nous nous sommes cultivés comme ça, mhm. puisque c'est la méthode maintenant pour tromper les gens. Vous attendez à la dernière minute vous amenez quelque chose avec vous, on donne et on demande aux femmes de voter pour vous. Je vous jure, vous allez être surpris en 2020, 2021. Surtout avec les femmes Mata Dubara, Et surtout, c'est sur toute l'étendue du territoire rien que ça, là, la surprise sera créée. Elles, ne elles vont prendre tout ce que vous allez amener, elles vont prendre. Nous sommes en train de combattre la corruption. Nous savons que la, la, euh, la Halcia veut le fermer. la Halcia ne peut rien. Actuellement, il y a des gens qui sont sur le terrain en train de circuler. Ils sont en train de battre campagne. Pourquoi ne pas appeler le chat par, leur, par son nom Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ne font pas un euh, tel jour, un tel va venir dans tel village. On rassemble tous les, les, chefs de village, on leur donne quelque chose. On rassemble tous les leaders du village, on leur donne quelque chose. Et pire, on loue des véhicules pour faire amener ces gens-là. Deux fois, on ne leur dit même pas exactement qui va venir. On ment, on dit que c'est un tel qui va venir. À leur grande surprise, on les rassemble, mais à la place d'un tel, c'est un autre tel qui est venu. Donc, la corruption, c'est les femmes-là qui vont dire non à la corruption avant les hommes. Et vous allez voir que ça va réussir. Si toutefois, après les élections 2020-2021, la stratégie que nous avons, nous, mise en place, a marché, demain, si tu as des milliards avec toi, tu ne vas pas te hasarder à venir la veille des élections ou bien à la veille des campagnes ou pendant les campagnes pour les donner aux gens pour, pouvoir avoir leur voix. Et l'autre la, stratégie a consisté cette fois-ci, le pire, à ramasser comme eh, l'enrôlement là. Mhm. C'est un nouveau système. On a pris avec les gens leur récipicé. Elle leur a donné 2000, 2000. Nous sommes en train de voir, nous, Matam Massoud Comment est-ce qu'on va empêcher à celui qui a pris le récipient d'avoir accès à la carte de l'autre Madame Hawa Sadou, direction promotion du leadership féminin, division participation politique des femmes au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Quels sont les obstacles pour une meilleure participation de la femme à la vie politique au Niger et vous me demandez les obstacles. Les obstacles qu'on a connus, c'est vraiment d'après l'étude qu'on a eu à faire. Les obstacles à la participation politique des femmes, c'est surtout des obstacles liés à la tradition. La tradition dit que la femme doit rester à la maison. Oui et les obstacles religieux parce qu'il y a des femmes qui sont confinées. Mais vraiment, nous avons réussi à lever tous ces obstacles-là de la formation. Nous avons formé les femmes en leadership féminin. Nous avons renforcé les capacités des femmes dans la participation politique des femmes. Et moi, personnellement, je ne sais même pas si maintenant je suis venue représenter le ministère ou bien si je suis aussi femme politicienne. Parce que avec mes 27 ans d'expérience au ministère en charge de la promotion de la femme, j'ai tellement formé les femmes en leadership féminin, en participation politique des femmes, jusqu'à ce que moi aussi je suis devenue politicienne. Dans les élections là 2020-2021, la charité bien ordonnée, je pense que ça doit commencer par soi-même. Je suis candidate euh, au poste de conseillère de ville pour les élections 2020-2021. Pour euh, terminer, je fais euh, le tour de table. Monsieur Adamou Ide, chargé de communication du parti MNSD Nasra, vous êtes en ligne. Quelles sont les principales mesures à mettre en œuvre pour assurer une égalité de chance aux femmes avec les hommes en perspective des échéances électorales prochaines Vraiment, l'égalité de chance, là, c'est dans nos comportements, s'il vous plaît. C'est dans les comportements. Les femmes doivent s'émanciper, doivent se comporter avec le noué Et je pense qu'aujourd'hui, le système éducatif même a compris que la femme est vitale dans la marche du pays. C'est pourquoi, si vous allez faire un tour dans les écoles, vous allez constater qu'il y a la scolarisation des jeunes filles qui est là partout. Et je crois que ça, le système éducatif doit l'encourager. Doit encourager, en tout cas, l'éducation des filles quand les filles vont s'éduquer, elles vont se manifester et il y aura davantage de confiance. Maintenant, je l'ai dit, on dit souvent, viens nous Ce n'est pas aux hommes de lutter pour les femmes. C'est aux femmes de lutter pour elles-mêmes. C'est ça qu'il faut, qu'il faut voir. Mais quand la femme ne prend pas la chose politique au sérieux, comme nous autres hommes, nous le faisons, euh, mais je sais que la femme nigérienne est très intelligente. Très intelligente, il faut le dire. Et la femme nigérienne a conscience dans le développement du pays. Parce que si vous confiez une responsabilité à une femme, en tout cas, elle veille à ça. Moi, je crois que euh, vraiment, vraiment, tout ce qui se passe est très bien. Mais les, autres structures des femmes doivent faire comme Makamas C'est ça mon constat, puisque j'ai fait l'administration, je connais ce que Makamas J'ai travaillé huit ans avec Makamas à Faye. Je ne dis, ce que je dis là, Ce n'est pas gratuit, c'est une réalité que j'ai vécue. Donc je ne les encourage pas pour rien. Vous comprenez, je ne leur fais pas euh, le feu vert pour rien, non. C'est parce que j'ai constaté que aujourd'hui, elles ont fait beaucoup de choses pour émanciper les femmes. Et c'est des structures comme ça qu'il nous faut dans le pays. Et c'est une structure qui est bien accompagnée par guerre euh, internationale. Moi, je crois que vraiment, c'est un constat que j'ai fait. Les femmes sont utiles, les femmes sont éveillées, les femmes s'intéressent de plus en plus parce qu'elles font des luttes. Aujourd'hui, il y a une lutte qui est engagée au niveau des structures des partis politiques. Les femmes ne sont pas en marge. Donc, franchement, chapeau aux femmes. Merci. Madame Souley Mariam Gambo, Mata Masudoubara, quelles sont les principales mesures à mettre en œuvre pour assurer une égalité des chances aux femmes avec les hommes en perspective des échéances électorales au Niger Merci. La stratégie que nous sommes en train de mettre en œuvre, c'est bien sûr l'accompagnement de la femme, mhm. candidate potentielle c'est-à-dire en te regardant dans la vie, nous sommes ensemble, on sait que tu es capable. Maintenant, cette femme capable-là, comment l'amener Comment la convaincre à s'assurer qu'elle est capable Nous sommes en train de faire ça et comment pousser les autres femmes à voter pour cette femme-là celle qui se sent capable, une fois, ça une fois que eh, nous l'ayons accompagnée, pour qu'elle se sente capable et qu'elle se dise je peux, on l'aide à constituer son dossier, on l'aide dans son propre parti. Là où elle est à l'aide, c'est le parti dans lequel elle appartient. Ensuite, dans le cas où le parti refuse de cette femme-là, nous avons un plan B qui consiste à prendre cette femme la placer dans un autre parti, ou encore ramasser toutes ces femmes-là capables que les hommes ont refusées dans les autres partis pour leur créer des candidatures indépendantes. La surprise va venir. Michel. Voilà. Madame Hawa Sadou, direction promotion du leadership euh, féminin, division participation politique des femmes au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Qu'est-ce que vous avez donc à ajouter par rapport à ce que vient de dire euh, Madame Souley et Mariam Gambo et Monsieur Adam Idé par rapport euh, donc aux principales mesures mises en œuvre pour assurer une égalité des chances aux femmes avec les hommes en perspective des échéances électorales prochaines? l'égalité des chances, c'est la loi sur le quota. C'est déjà un acquis, une avancée très significative. Oui, rapidement, Mais vraiment, je ne peux conclure vraiment mhm. sur le thème euh, participation politique euh, de la femme mhm. sans vraiment relater nos partenaires, les ONG qui œuvrent dans le domaine de la participation politique des femmes. Un chapeau à l'ONG FAD. Mhm qui a réussi là où le CNDP a échoué. Le CNDP, c'est le Conseil national pour le dialogue politique. Le Conseil national pour le dialogue politique vraiment a échoué. L'ONG a réussi. Et l'ONG FAD a réussi. L'ONG FAD organise une conférence deux fois par mois. Au cours de cette conférence-là, toutes les femmes des différents bords politiques sont conviées les femmes des, partis politiques euh, euh, non affiliés, les femmes des partis politiques de l'opposition, les femmes des partis politiques de la mouvance. Nous nous rencontrons deux fois par mois pour échanger un dialogue intergénérationnel euh, en politique des femmes. Il y a toujours les femmes qui ont une grande expérience qu'on invite et qui viennent vraiment nous partager leur expérience. Oui, nous qui sommes, a en déjà au terme de, de, ce forum. <laughs> Vous avez donc euh, suivi l'intervention de nos invités sur euh, le thème du forum Femmes et élections, comment donner l'égalité des chances aux femmes aux différentes échéances électorales au Niger. Malgré donc euh, des avancées significatives enregistrées, Beaucoup reste donc à faire pour l'émergence de la femme nigérienne au plan politique. Nous étions dans ce studio avec euh, Hawa Sadou, direction promotion du leadership féminin, division participation politique des femmes au ministère de la promotion de la femme et de la protection euh, de l'enfant. Madame Hawa Sadou, merci d'être euh, donc avec nous. Madame Suley Mariama Gambo, mata Masudubara, Merci Madame Mariama, Madame Agambo. Mariama Gambo. Merci pour l'invitation. Adamou Ide, chargé de communication du parti politique MNSD et Nassara. Merci Adamou Ide, vous étiez avec nous en ligne dans ce forum. La présentation était assurée par Fatih Zakari, à la régie technique Seini Isaka, à la réalisation Mustafa Ayuba.